Bonjour, c'est Mouche Boy. Et dans cette vidéo, donc, on va aborder le deuxième chapitre en premier S hein, qu'on appelle dénombrement. Dénombrement, comme son nom l'indique, c'est dénombrer, dénombrer, compter. Donc il s'agira de compter le nombre d'éléments d'un ensemble. Et donc, pour être à l'aise, donc, il faut cibler donc, des, des, ensembles finis. Parce qu'il y a deux sortes d'ensembles. Il y a ce qu'on appelle des ensembles finis et des ensembles qui ne sont pas finis. Donc, on va aborder donc la théorie des ensembles. Théorie des ensembles. Par exemple, si je prends deux ensembles A et B, qui sont deux ensembles, l'ensemble A est noté comme ça. A égale A, j'ouvre des crochets. Et donc, voilà les éléments de A. 1, 2, petit a, petit b, petit c. Et d'habitude, le nom de l'ensemble est noté en majuscule. Maintenant, les éléments de l'ensemble, s'il y a donc des A, des B, donc on, va les noter en minuscule. Et donc, on ouvre toujours des crochets pour schématiser un, ensemble. Voilà un ensemble A et un ensemble B. Mais on connaît aussi d'autres ensembles. Par exemple, l'ensemble des nombres entiers naturels. L'ensemble des nombres entiers naturels, on l'a appelé grand M. Cet ensemble-là est différent de l'ensemble A. En quoi L'ensemble A, regardez ces éléments, c'est 1, 2, A, B, C. Je peux compter ces éléments-là. Ces ensembles dont, dont, dont je peux compter leurs éléments, on les appelle des ensembles finis. Par exemple, le grand N que je viens de dire, qui est l'ensemble des nombres entiers naturels, on ne peut pas compter donc les éléments de N. Donc il y a N éléments, 1, 2, 3, 4, on ne peut pas compter tous les éléments de l'ensemble grand N. Or, l'ensemble A, comme l'ensemble on peut compter donc leurs éléments. C'est ces ensembles-là qu'on appelle des ensembles finis. Donc on va travailler d'abord sur ces, euh, euh, sur ces ensembles-là pour, faire, donc, pour aborder donc, le dénombrement. Et donc je disais quoi Que comme A est un ensemble, B est un ensemble, et tous les deux, je peux compter leurs éléments, donc il faut que donc, je donne un nom à l'un aux, éléments donc, de leur ensemble, le nombre d'éléments de leur ensemble. Je vais, je, vais, je vais donner un nom à ça. Donc, le cardinal de l'ensemble A, c'est donc l'ensemble des éléments, donc c'est le nombre d'éléments de A. Pas l'ensemble des éléments, mais c'est le nombre d'éléments de A. Donc le cardinal de l'ensemble A, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble A. Donc si il est noté comme ça, c'est ARD de A. Donc si on vous demande le cardinal de l'ensemble A, il suffit seulement de compter le nombre d'éléments. Cette valeur-là, c'est la valeur qu'on appelle le cardinal de A. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le cardinal de A, c'est 5. Le cardinal de B, il suffit seulement aussi de compter le nombre d'éléments de, de, B. 1, 2, 3, 4. Donc je trouve le cardinal de B. Comme le, donc, le cardinal donne des valeurs finies, c'est pourquoi on les appelle donc des ensembles finis. Maintenant, là, on va voir ce qu'on appelle la réunion de deux ensembles. Je veux réunir donc les éléments de A et les éléments de B. Cette réunion-là est notée A union B. A union B, en réalité, c'est quoi C'est l'ensemble des éléments de A ou de B. Dans A union B, par A union B, c'est un ensemble qu'on va donner. Mais dans cet ensemble-là, si on prend un élément, soit cet élément-là est dans A, soit cet élément est dans B. Et pour ce faire, donc, comme c'est l'ensemble des éléments de A ou de B, on va écrire tous les éléments de A. Les éléments de A, c'est 1, 2, petit a, petit b, petit c. Et on ajoute les éléments de b. Les éléments de b, c'est 5. Les éléments de b, c'est 6. Les éléments de b, c'est a. Mais attention, dans un ensemble, les éléments sont toujours distincts deux à deux. Donc, comme le a est déjà pris, donc je ne vais pas répéter le a, il est déjà pris. Le C aussi est déjà présent, donc je n'ai pas besoin de répéter le C. Donc en réalité, A union B, c'est ça. Parce qu'il faut noter que dans, au niveau des éléments d'un ensemble, donc ces éléments-là sont toujours distincts, ça veut dire que différents 2A, 2A2. Maintenant, l'intersection, l'intersection de A et de B. Donc cette intersection-là est notée A inter B. Alors que l'union a été notée A union B, l'intersection est notée A inter B. Maintenant, A inter B, c'est quoi a inter B, c'est l'ensemble des éléments de A et de B. Donc, c'est les éléments de A inter B. Donc, ils sont à la fois dans A et dans B. Alors que les éléments de A union B, soit l'élément est dans A ou bien l'élément est dans B. Donc, si l'élément est dans A, il est admis dans l'union. Si l'élément est dans B, il est admis dans l'union. Quant à l'intersection, il faut cibler donc, les éléments qui sont à la fois dans les deux ensembles. Donc, c'est ces éléments-là qu'on va être qu'on va prendre donc pour A inter B. Maintenant, regardez, A, c'est 1, 2, A, B, C. B, c'est 5, 6, A, C. Maintenant, les éléments qui sont à la fois dans les deux, 1 est ici, mais il n'y a pas de 1 ici. 2 n'est pas présent dans les deux ensembles, mais ce A-là est présent dans les deux ensembles. Donc, c'est un élément qui est admis dans l'intersection. Voilà B. B, il est admis dans A, mais il n'est pas dans B. Donc, il ne sera pas admis dans l'intersection. Cet élément C là, il est à la fois dans les deux ensembles aussi, il est admis, donc C. A inter B, donc c'est A et C. Si on prend A, on regarde euh, l'ensemble A, on va voir donc A là-bas. Si on regarde l'ensemble B, on va voir donc cet élément ici. C aussi, si on regarde l'ensemble A, on va voir donc cet élément. Si on regarde l'ensemble B, on va voir donc cet élément-là. Maintenant, cardinal de A union B. Cardinal de A, c'est 5. Cardinal de B, c'est 4. Maintenant, attention, cardinal de A union B, on avait dit A union B, c'est A qui amène ses éléments, B qui amène ses éléments et on les regroupe. Mais attention, on avait dit que dans un ensemble, donc les éléments sont toujours distincts deux à deux. Ceci dit que A union B, ce n'est pas 5 plus. Donc si on compte les éléments de A union B, certainement ce ne sera pas 5 plus 4. 5 plus 4 égale à 9. On va compter. A union B, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Donc si c'était directement la somme, on aurait donc, 9 éléments, mais ici on a 7 éléments. Donc pour avoir le cardinal de A union B, il faut enlever les doublons. Les doublons sont dans l'intersection. Donc on prend cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A interne donc, c'est ça, donc la formule de, cardinal de A union B. On va vérifier la formule, on calcule. Cardinal A union B, on avait compté tout à l'heure, on avait trouvé 7. Donc, on a dit que la formule, c'est cardinal de A. Cardinal de A égale à 5. Plus cardinal de B, cardinal de B égale à 4. Moins cardinal A inter B. Cardinal A inter B, donc c'est ces deux éléments 2. 5 plus 4 égale à 9, 9 moins 2 égale à 7. Et si on compte bien ici A union B, on aura 7 éléments. Donc, il faut bien retenir cette formule-là. Le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Maintenant, on va passer par ce qu'on appelle le complémentaire d'un ensemble. Le complémentaire d'un ensemble, donc, pour, pour, schématiser ça, donc, si l'ensemble c'est A, son complémentaire est toujours noté à, barre. Donc, ça, ça veut dire quoi C'est le nombre d'éléments donc, qui complètent A pour avoir le grand ensemble. C'est pourquoi on l'appelle toujours complémentaire de A dans E. Donc, tout à l'heure, quand je notais les ensembles, regardez l'ensemble A. L'ensemble A, j'ai noté ça avec des accolades et j'ai donné les éléments. Ici, je parle d'ensemble A et E et donc j'ai fait donc des, des diagrammes comme ça. C'est ce qu'on appelle donc le diagramme de, de venn Donc on peut noter l'ensemble comme ça ou bien donc avec des crochets. Maintenant, si on fait des diagrammes, on voit bien que le grand ensemble, c'est l'ensemble E. Donc l'ensemble qui est dedans, c'est l'ensemble A. Et tout le monde sait que donc A est inclus dans E. Maintenant, donc, le complémentaire de A est noté A bar. Et A bar, c'est quoi C'est donc tous les éléments de E qui ne sont pas dans A. Parce que tout ça, c'est les éléments de E. Tous les éléments de A sont dans E. Donc les éléments de E qui ne sont pas dans A, c'est ces éléments-là. Voilà la partie de E qui n'est pas dans A. On note ça A bar. C'est pourquoi, donc, on remarque que A union A bar va donner quel ensemble Voilà l'ensemble A. Voilà l'ensemble A bar. Si on les regroupe, ça va donner l'ensemble e. et A inter A bar. A inter A bar. Et l'intersection, on avait dit que c'est l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans les deux ensembles. Ici, d'après ce diagramme-là, on ne peut pas avoir un élément qui sera à la fois dans l'ensemble dans A bar et dans l'ensemble A. C'est pourquoi donc A inter A bar donne zéro élément et zéro élément, c'est l'ensemble Vite. De fait, cardinal de A union A bar est naturellement donné par la formule cardinal de A plus cardinal moins donc je pars de B alors que c'est A bar cardinal de A plus cardinal de A bar moins cardinal de A inter A ah bah, donc j'avais répété B ici donc pour appliquer la formule. Alors à chaque fois, cardinal A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Ici, donc, cardinal de A union A bar aussi, même formule, c'est cardinal de A plus cardinal de A bar moins cardinal A inter A bar. Or, qu'est-ce que je sais Or, cardinal de A inter A bar. Donc, cardinal A inter A bar, c'est cardinal de l'ensemble vide l'ensemble vide contient 0 élément. De ce fait, cardinal de A union A bar va donner quoi Cardinal de A seulement plus cardinal de A bar. Il n'y aura pas moins cardinal A inter A bar par cardinal A inter A bar égale, égale au vide. Et cardinal de l'ensemble vide égale à 0. Jana tukero basona manga jangale gita dobuje do faiwa Nge elef tatana chi exam linga sarla am da fita mugena Asure kolo